Euh, salam alaikum. Bon, comme vous le savez, je me présente, je m'appelle Papsi Difal, je suis animateur. Je connais pas mal de choses qui se passent dans le monde du show business. J'ai l'habitude de faire des trucs fun, de faire rire les gens et trucs. Mais aujourd'hui, je parle avec le cœur euh, rempli de haine, quelque part, envers euh, qui ou quoi, mais envers les sociétés sénégalaises. En fait, demain, c'est le bien affaire. Si société sénégalaise, il est société qui est Sénégal.

musuma gis chat ba chat événement hip hop bo xamné musna mus gis ben sponsor et pourtant ñun ñoy drainer ay 14 000 15 000 hashtag nit dof félicitations pour ce que tu as réussi à faire pour le grand théâtre et pour le Stade ainsi de suite ainsi de suite il y a pas mal d'artistes les Canabas les Curly et consorts il y a pas mal de gens qui font des bonnes choses dans le hip hop mais nous cette lune si nous avons confrères artistes, entre guillemets, je n'ai pas de, de problème pour que les artistes viennent au Sénégal pour défier les prestations. Parce que si nous avons des hommes, exemple, Fado Fred, nous avons des cas, ou alors nous avons des gens qui spectacle. Mais nous savons que les sociétés qui sont au Sénégal, ils produits produit, ils ont des Sénégalais, les Sénégalais ils ont Si les Sénégalais sont là, ils pour sponsoring, ils ont des gens. nous, nous des 13 000, voire 14 000, ou des fois 20 000 entrées, la visibilité donc marketingment parlant si vous voulez que de la visibilité vous pouvez l'avoir avec nous mais là, bon wala vous nous détestez c'est quoi le problème parce que c'est un produit y a koy qui sénégalais sénégalais il Sénégalais, ils jënd di ko utiliser mais le vrai problème je le je le comprends pas on est prêt même à modifier ce qu'on est en train de faire pour vous faire plaisir mais Vous ngeen di vous bu que aura artistes sénégalais ñoko ëpp artistes yi ngeen di jëlee ci kaw bi parce que ku ci def 3000 entrées fof lay yem ñun on parvient à faire voir 10 000 15 000 jëm kaw mais c'est quoi le problème alors je me suis dit xayna na ñu manquer de respect donc man je sais pas lan moy solution bi xayna nit bu la bañee dang koy bañ loolu la ñuy wax grand mot les grands remèdes nit bu la bañee dang koy bañ société yi nek Sénégal chat ba chat bu ñu ñëwé ci suñu événement c'est pour colorer ko wala ay 50 000 lañ lay jox ay

nous ñu gis ne ñeneen di def moins que ça mais ngeen nango jël sen xaliss jox ko ñeneen vous êtes des sociétés qui investissent qui vous êtes au Sénégal vos produits sont vendus au Sénégal légui xam def man je vous invite hein tas leen vidéo bi gëm leen ko def leen ko sen conviction ku ñu woowati nga bañ ñun tamit ñu bala parce que ñun au Sénégal ñun ñoy l'avenir du Sénégal l'ensemble des personnes qui vont cliquer sur cette vidéo xol leen jarul ma leen di wax telle société wala telle société xol leen affiche

ba ci état Sénégal donc je dis qu'il faut que ça cesse je vous invite à partager cette vidéo principe là, conviction là, waxee waxuma pour buzz waxuma pour dara donc je le pense sincèrement ce qu'on est en train de vivre en tant que jeune je me dis qu'il faut que ça cesse il faut que ça s'arrête ay nit qui sont ici réunis, mi di consommer produits ils ñooñu bu ñu leen soxlaa pour des miettes pour ngeen jàppale leen ci sponsor yi ngeen bañ te bu visibilité rek ñoom ñoo ko mën parce que ñun ñooy doomu Assalamu alaikum. je je m'excuse j'ai été très long dari Popsi.